Monsieur le ministre de l'Éducation, j'avais dit à votre collègue de l'enseignement supérieur qu'on lui avait confié l'écran de notre glorieuse histoire, de notre présent et de notre devenir, à travers les étudiants et notre éminence grise, les enseignants de l'enseignement supérieur. Vous, on vous a confié nos trésors, nos bijoux de famille. Et je sais que vous allez redoubler d'efforts et de vigilance, vous et votre équipe, que je félicite, pour que ces bijoux soient bien préservés vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà tracé dans le secteur de l'éducation nationale la vision qui fonde les actions qui sont en train d'être engagées de belle manière sur l'étendue du territoire du Sénégal. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est en 2013 que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a convoqué ce qu'on appelle les assises de l'éducation et de la formation qui ont abouti à des mesures forte prise à travers un programme élaboré, conçu, mis en œuvre à partir de 2018, 2018, 2035 qu'on appelle le paquet programme d'amélioration de la qualité, de l'équité, de la transparence dans l'éducation et la formation. Ce programme, ku vision parce que vision concertation moo nous fondé ñu concertation bi def assise nationale def programme paquet Macky Sall ne lan nga lan bëgg ci école Sénégal mu ne école bo xamné école de la qualité école accès équitable école bo xamné da fay am transparence par l'amélioration de la gouvernance Macky Sall loo ko munte waxal day liggéey ak vision ken mënatu ko wax loolu bo andi ak yi nga xamné amna dans le secteur de l'éducation nationale le budget de l'éducation nationale était à moins de 6 du PIB ci lañu commencé di yok le yok 2018 budget bobu mu ngi 25,8% pour la totalité des dépenses engagées dans le secteur de l'éducation de la formation et de l'enseignement supérieur Lolu fi lañu fi organiser conférence monde bi d'accord ne Sénégal mu ngi waccio ak li les orientations ci budget nan lañ ko war a tëggee pour le secteur de l'éducation loolu mooy dëgg Macky Sall kenn mënu ko duut baaraam ci liggéey kenn mënu ko duut baaraam ci vision kenn mënu ko duut baaraam ci bilan ku mu neex nag nga wax lu la neex bilan wu Macky Sall mu ngi nii 2012 ba 2022 xam naa ministre des finances dina ñëwaat ci évolution budget bi parce que politique buy réussir budget moo koy porter fulla le ñu jox secteur budget moo koy porté ci budget bi lañuy xam ndax président bi jox na fulla secteur bi wala jox ko secteur 2012 xam ngeen budget bi fi 2013 xam ngeen budget bi fi monsieur le ministre des finances ma nga lay ñaan bo ñëwé de 2012 à 2022 bu 2023 bi gis nañ ko 775 milliards 778 milliards une hausse de 171 milliards lañu le def ci budget éducation nationale donc wax deug yalla loolu moom lu am la te kenn mënu ko weddi résultat yi ñuy bañ ñu koy tudd dinañ ko tudd bilan bi ñuy bañ ñu tudd dinañ ko tudd te dama bëgg ñu déglu ma bu baax ak xel ma wax leen tuuti rek ci bilan bi xam naa ministre dina ci gën a xuus entre 2012 2022 9816 classe, salles de classe construites 345 écoles élémentaires complètes 189 collèges réalisés, 39 lycées délivrés, 818 hygiènes réalisées, 1410 blocs administratifs réalisés, 548 points d'eau, 20 blocs scientifiques et technologiques, 96 centres régionaux de formation des personnels de l'éducation, 20 inspections de l'éducation et de la formation. La liste n'est pas exhaustive. Monta monsieur le ministre éducation dafa le service public tous les services publics du monde sont dans des dispositions d'amélioration continue du service et de la qualité L'homme France Bois de Monde, service B, toujours aspiré à un idéal pour aller de l'avant mais Sénégal mënul bagnac Sénégal pays en développement Sénégal pays pauvre Sénégal avec un budget de 6 000 milliards de francs CFA mënul bañ a ñàkk ak depuis les indépendances muy am ay calage yu manqué muy am clôture etc. cetera moo créé un programme pour relever ces défis le programme de remplacement des abris provisoires en quatre lots nga si pour que école yi nga ne dafa nekk école yoo clôture ñu mën a def mur de clôture école yi nga xam dañu nekk provisoire ñu def abri provisoire bi école yi nga xam amuñu bloc hygiène ñu def bloc hygiène école yi nga xam ne bloc scientifique ñu def bloc scientifique parmi les autres défis da nga ci am bu am solo mooy le défi de l'environnement tey suñu école dafa war a dëppoo ak suñuy aspiration de notre société que élèves yi ñu commencé leen jàngal à bas âge éducation sur la gestion de l'environnement les déchets etc. cetera parce qu'on a un problème et ce problème ne peut être résolu que par notre éducation et notre système éducatif. On a notre problème. un problème c'est le problème des valeurs civiques dans ce pays mënuñu ko uti fenen fu ci école bi parce que l'école n'est pas faite pour avoir des experts des travailleurs sociaux des sociologues des professeurs d'université des avocats des magistrats l'école c'est pour faire des modèles des exemples de citoyenneté mais malheureusement à ñu gisee fii dañu fiy gis dafa daw yaram école de pour rek ni cravate du costume di lac tubab di am ay diplôme di ko il faut que les valeurs citoyennes il faut que les valeurs citoyennes soient réconciliées avec l'école ba nga xamné l'école il faut te l'appliquer à toi-même il irresponsable et immature il faut te l'appliquer à fais en silence Abbas Abbas da nga rew Continue, Omar. C'est bon L'éducation, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, l'éducation doit donner à nos élèves une personnalité harmonieuse, réconciliée avec notre société, réconciliée avec les valeurs de la République. Lolo qui tax ñuy dugal suñu doomi ci école yi suñu ci école yi pour ñuy saga di xasse di xuloo di défier l'autorité di def lu leen neex lolu war nañ ko la ci vais bi may terminer amna ñu fi wax ay daara daara moderne la wax ci Macky Sall la commencé ku fi construire daara ci état avant 2012 na nga ko pas nga wax dëkk bi mu am waxal dëkk bi mu am amul motax Macky Sall mënu ko jam ci daara moderne 2012 2022 construction et achèvement réhabilitation extension de 25 daara modernes pour un montant de 2 milliards construction de salles de classe additionnelles d'hébergement d'ouvrages annexes pour améliorer l'environnement physique de 27 daara modernes pour un montant de 1 milliard. Construction et équipement de 64 daara modernes. Au total, 222 daara modernes construits. L'année li ci Moi, mooy 2012 école nationale d'administration ñi doon en arabe am licence am doctorat am maîtrise ubbi li Macky Sall pour que enseignants yi am diplôme ci université di les arabe comme enseignants yi am diplôme ci lettre moderne droit ak lenen ñu mëna dugg e ENA ren fi may wax ak 2021 10 places réservées aux enseignants arabes 5 cycles B 5 cycles A c'est vérifiable nañ len baye caaxaan Sénégal est à un tournant décisif entre les ennemis de la République et les militants de la République. Ces ennemis de la République n'ont que pour armes le bavardage, le chahut, la violence, la haine. Les Sénégalais debout ont rendez-vous devant l'histoire. Faites attention, le populisme ne passera pas dans ce pays. La dictature ne passera pas dans ce pays. Le terrorisme intellectuel ne passera pas dans ce pays. Le Sénégal avance, le Sénégal progresse, le Sénégal se construit lentement mais sûrement. Qu'Allah continue de bénir notre pays et qu'il nous préserve contre ses ennemis.